de votre fidélité au programme du studio Kalangou, chers auditeurs auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukele Ouseni alias Seno et à mes côtés Rakia Arimi. Rakia, comment tu vas Je vais bien Seno et toi Ça va super. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Comme d'habitude Rakia, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité, nous recevons Shoba, un jeune artiste et chanteur talentueux qui fait parler de lui au Niger et à l'international. Dans cette même émission, nous aurons également la rubrique écho des régions qui nous amène à Tessawa, région du Maradi, pour parler de pratiques du commerce par les jeunes filles de moins de 15 ans. Il y aura également la rubrique hebdo consacrée à l'environnement, le loti du jour euh, présenté par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Seni Isaka. C'est nous, on débute cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté par To Adamo. Bonjour Nafissa. Bonjour Rekia, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. À moins de deux mois de la suspension de leur coopération au Niger suite au coup d'État du 26 juillet, la Suisse et le Danemark sont en train de reprendre leur activité et leur aide dans le pays, nous apprend Actu Niger. Les experts suisses rapatriés de Niamey sont de retour et le bureau de coopération au Niger va bientôt reprendre progressivement ses activités selon Bern, alors que le Danemark vient d'annoncer la reprise partielle de son aide au développement. Nous avons effectué une analyse sécuritaire et même si la situation reste fragile, on peut travailler sur place. En cas de détérioration de la situation, notre personnel expatrié pourra de nouveau quitter le pays, a indiqué à la radio-télévision suisse Nicolas Budeau, le chef de la communication du département fédéral des affaires étrangères. Le sultan de l'Aïr, son Altesse Omar Ibrahim Oumarou, a procédé vendredi à l'intronisation de son Gladima. Il s'agit de Al-Bashir Aboubakar qui succède ainsi à son père. Le Gladima est le chef de l'administration coutumière de la ville d'Agadez, une très haute fonction dans les rangs des notables de la cour du sultan. Il est le seul à faire revenir le sultan sur certaines décisions. Enfin, le Parlement de transition du Burkina Faso a autorisé hier mardi l'envoi d'un contingent militaire au Niger face à la menace d'intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le projet de loi a été voté à l'unanimité par les 111 membres de l'Assemblée législative de transition, a annoncé le Parlement. La durée de la mission sera de trois mois renouvelable et l'assistance militaire dévolue au contingent consistera à donner une main forte et un appui capacitaire dans des domaines assez précis. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, Merci Nefissa. Merci pour euh, toutes ces informations. Comme annoncé en début d'émission, nous recevons comme invité dans cette émission Shoba, artiste, chanteur, compositeur. Bonjour Shoba. Bonjour Senoko, vous allez Ça va très bien. Merci hein, de nous honorer de votre présence euh, dans cette émission. Avec vous, nous parlerons de votre carrière musicale. Mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord ensemble l'un de vos titres. Il s'agit du titre Tonka. On écoute. Wonderland, Wonderland, Elon Musk, the top cat, I make Inky Inky. I can't keep on getting koa, yaki, soki, bandama, keche, nemo, saudina, so mu monta, the koa, minene, dadin, so yeah, yeah, minene, yi daɗi hamma zahi kin zamo mini tonka ga Gazahi, ga kin zamo mini tonka sai daɗi hamma zahi da ke sun bugeni mm, sun bugeni don don da ke sun Zageni, ni hey. sun zage ni don da ke sun kore hey. sun kore Sabi da ke sun tsane amma bombari ba mini tonka da gazai ga zahi mini tonka sai daɗi hamma l'artiste choba mesdames et messieurs en direct d'ici dans le studio du studio Kalangu Toc toc toc, hey. mata son à kamani pilon pompon pilon gema Baby, yaki msonju na bisibita ko joza balista Kama iko shupa baliste Emata, kudene bamu ya Tana muna sahi Tana muna sahi Amma bumu kwa Kinza momini Yes! Kin zamo mini tonka sai daɗi hamma zahi Kin zamo mini tonka ga daɗi ga zahi uh-huh. Kin zamo mini tonka sai daɗi hamma zahi Masoyiyata Masoyiyata Masoyiyata ta ta ta ta Masoyiyata Masoyiyata C'était là le titre Tonka de l'artiste euh, Shoba qui est avec nous dans cette émission. Alors, Choba, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre échange, parlez-nous un peu de ces titres Tonka. Bon, Tonka, c'est inspiré. Bon, je dirais que c'est comme l'amour, quoi. Mhm. L'amour, c'est bon, mais c'est pimenté, comme le piment. Mais littéralement, c'est piment. C'est piment. Tonka, c'est piment. En Hausa. En Hausa, pas, pas en Hausa, parce qu'en Hausa, c'est Yaji. Ok. Donc, je voulais garder cette originalité du Niger. C'est juste au Niger qu'on dit Tonka. Tonka. Voilà. <laughs> Super. Alors, euh, Shoba, dites-nous, euh, comment avez-vous découvert votre passion pour la musique et qu'est-ce qui vous a poussé euh, à devenir chanteur Bon, ça a commencé avec la danse. Ok. Donc j'avais un groupe de danse à Maradi, donc on faisait les concours de danse, big bounce et autres. Et j'avais un danseur qui était vraiment passionné par la musique. Donc moi j'étais pas si passionné comme lui, mais ça va quoi. Mhm. Donc on a créé un groupe, un sous-groupe qu'on appelait Tic Tac. Tic Tac. Voilà Tic Tac Forever. Mhm. Et on a commencé, et moi j'étais pas trop rap, j'étais trop danse, danse, danse, voilà. Il a fait tout et il m'a fait embrasser l'amour euh, l'amour de la musique, voilà. <laughs> et de là c'est parti De là c'est parti. Et, bon, on a eu un petit problème comme d'habitude dans les groupes de, temps, de rap, donc mhm. voilà, on a eu une rupture. Mhm. Et j'ai décidé, en ce moment-là j'étais au Nigeria, j'ai décidé d'embrasser la carrière solo. Ok, quelles sont vos principales sources d'inspiration pour vos paroles et votre musique Bon, je dirais la première des choses, c'est la famille. Parce que mon premier son était Momi ». Ah. C'était un son dédié à ma maman. Euh, donc, euh, Cela veut dire que vous avez le soutien de la famille. Effectivement, j'ai le soutien de la famille. Chose qui est très difficile au Niger. Hein. Effectivement, je dirais soutien moral. Mhm. Donc financièrement, je me débrouille, je fais tout ce que je <laughs> peux par moi-même. Comme un bonhomme, je dirais. Ok, donc votre première source d'inspiration, c'est la famille. C'est la famille. Ensuite Ensuite, euh, c'est mon entourage. Et ensuite, c'est ma vie. Ce que je vis, ce que je vis au quotidien, quand je me réveille, voilà. Donc, Ok. Et on sent vraiment, vous venez de dire que vous avez débuté en, tant que danseur, et on sent également, euh, votre, dans votre musique, on, sent que euh, le son fait bouger. Est-ce que c'est toujours ce même rythme de danseur qui vous pousse à faire des sons Effectivement, parce que lui, mon ami, il s'appelle Abdullah Abdoulaye en passant. En passant, je lui fais un coucou. Voilà, Tchanga, je te fais un coucou. Depuis le studio Kalangu. Depuis le studio Kalangu avec Seino et Rekia. Voilà. Donc, euh, il m'a dit une chose, il m'a dit, écoute, au lieu de danser sur les sons des autres, vas-y, danse sur ta propre <laughs> musique. Donc, c'était ça qui m'a vraiment le plus attiré dans la musique. Super. Alors, avant de poursuivre nos échanges, Shoba, marquons une petite pause euh, musicale, encore une fois de plus, pour écouter, euh, n'est-ce pas, l'un de tes morceaux qui est très connu et très écouté. Il s'agit du titre Oman, on met l'ambiance. C'est parti. Ça t'a fait dans la place. La moula est de côté, pendant que le jaloux la regarde. Rentre dans ma tête, c'est trop difficile. Tu me connais pas, je suis pas ton égal, MC. Rentre dans ma tête, c'est trop difficile tu me connais pas, je suis pas ton égal M6 Rosa Balista, balistique. Ballistique the club, dans la rap everybody Sans le platine, whip up du champagne Je suis venu mouger dans la boîte, on va caquer la main On va caquer la main, on va caquer la maille Tu veux, tu veux pas, c'est nous on met l'ambiance C'est nous on met l'ambiance, c'est nous on met l'ambiance Bawara Siba, kada Zingi Zingi Me Kana Zingi Zingi Me Kana Zingi Zingi Me Koba Samu, Babu Yende Ka Iya Babu Yende Ka Iya Babu Yende Ka Iya dans le golf, c'est nous le boss, ça tu connais. On chill avec ta meuf, ça te fait mal. Il y a tellement de gonzesses qui sont sonnées. Des barques, chop chop, on dépense la monnaie. Dans ta tête, y'a et personne. Hey, hey, hey, hey. Sous les platines, c'est monstre et personne. Hey, hey, hey, hey monnaie, monnaie, pour ça, certains peuvent te vous mailler. Au lieu de fait tu penses à fouiller, pour poulailler. niveau bankula, son cahier, bonsaïe, oulaye. Inke geni, ke maka, son chobaya, zago, là Je danse ma boum boum ta. Ine magana, za suru buta. Tuwa za suci, ademi, ya ma Dama sanki geni, bande mugunta. Soza balista, choba balistique. Ine clavo, dans la rap, everybody. Sans le platine, we pop, champagne. J'suis goni, mouger dans la boîte, à ma la main your best DJ? Master top, dans ma tête, c'est trop difficile. Tu me connais pas, je suis pas ton égal, MC. Rentre dans ma tête, c'est trop difficile. Tu me connais pas, je suis pas ton égal, MC. Sosa balista, choba balistique. In the club, we're gonna rap everybody. Sans le platine, we pop the champagne. J'suis venu bouger dans la boîte, on va caquer la main. On va caquer la main, on va caquer la main. Tu veux, tu veux pas, c'est nous met l'ambiance. C'est nous met l'ambiance, c'est nous met l'ambiance. Bah, si siba, kana zingi zingi me. Kana zingi zingi me, kana zingi zingi me. Koba kasamu, babu yende ka iya. Babu yende ka iya, babu yende ka iya. Voilà, retour au studio avec euh, notre invité, l'artiste Shoba. Alors Shoba, quelles sont les difficultés auxquelles vous, êtes, euh, vous faites face euh, dans la conduite de votre carrière musicale Bon, d'abord, c'est le soutien total, que je dirais général, qu'on retrouve dans la musique. Il mhm. n'y a pas de soutien dans, dans, la musique. Parce que moi, à un moment donné, quand je disais aux parents que j'allais faire de la musique, mm. ils étaient Ah, mais tu es sûr de ton choix <laughs> Voilà. Parce que déjà, c'est un terrain qui est très glissant. Par exemple, socialement, les gens trouvent que quand tu es artiste, tu es. Voilà quoi. Mm-hmm. Tu es un voyou et tout. Ouais. Et je profite, euh, je ne te pas la parole, je profite pour dire que euh, vous êtes détenteur de Master 2, n'est-ce pas Effectivement, en logistique transport. Voilà. En logistique transport, oui. <laughs> Voilà. Donc, c'est n'est pas un voyou qui est au micro. <laughs> Voilà. Donc, euh, la musique, je dirais que c'est pas facile. C'est un truc compliqué, c'est un truc de stratégie. Mm. Donc, il est difficile qu'un voyou fasse ça, quoi. Mm. quelqu'un pourrait donner l'image d'un voyou, mm. mais c'est ce qu'il vend, en fait. Ok c'est cette image qu'il vend. Ça ne veut pas dire qu'il est voyou. Donc, euh, parce parce qu'en ce moment-là, on a compris qu'au 21e siècle, donc, mhm. il y a beaucoup de stratégies pour se faire vendre. Par exemple, avec Econ, c'était Convec Music, ou à la au début des, de la musique, même tu sens, comment il s'appelle mhm. le, la, prison qui se ferme, quand et tout ça, là, c'était un truc de voyou, mais c'était pour se vendre. Voilà. Alors, euh, on va continuer toujours euh, avec les difficultés. Vous venez de dire que voilà, la première des choses, c'est l'acceptation de, la société. Et à part cela, est-ce qu'il y a d'autres difficultés Si, si, si. Moi, je dirais, par exemple, entre nous même les artistes, il y a un problème qui se pose. Par exemple, tout le temps, on pense que c'est la compétition. Hmm. Alors que quand tu prends la playlist d'un fan, hmm. c'est pas que, il n'y a pas que Shoba dedans, y a, c'est tout un tout, quoi. Il y a plusieurs artistes, j'aimerais pas pointer, donc voilà, il y a plusieurs artistes, il y a tout le monde. Donc mhm. c'est une manière de dire qu'on devrait se soutenir au lieu de compétir. Parce que c'est pas le moment. Le monde n'est vraiment pas là pour. Euh, compétir et avoir de l'argent dans la compétition. Et je dirais aussi un problème aussi financier. Hmm. Par exemple, tout le temps, on est là, il faut te battre avec ta vie. Hmm. Et la musique ne te nourrit pas de hmm. nos jours. Ici, c'est vraiment compliqué que la musique te nourrisse. Mm. Donc moi, j'ai mon business, je fais mes choses, je fais mes bails, donc voilà. Mais pourquoi c'est compliqué Parce que ailleurs, on voit par exemple, si on prend le Nigeria, qui est un pays voisin, on voit que la musique, vraiment, ça nourrit son homme, comme on lui dit. On voit des artistes, on voit des Davido, on voit euh, des, des, des, Joe Boy, qui prennent des milliards. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi pas au Niger Effectivement, le déclic, moi je dirais, c'est un peu la langue aussi. Mm. Parce que l'anglais, ok internationalement la première langue, je dirais. Mhm. Et nous, on a été colonisés par les Français. Je dirais pas que c'est un blocus, mhm. non, mais je dirais que c'est une chance pour eux et aussi d'avoir euh, de travailler et avoir l'équipement et vraiment bosser pour avoir tout ce qu'il faut mhm. pour euh, créer la meilleure musique. Et ils sont soudés si vous regardez, ils sont très soudés. C'est vraiment difficile de voir des vidéos en train de clasher euh, celui-ci. Mhm. Ils sont vraiment soudés entre eux. Mhm. Quelqu'un crée un concept, l'autre le prend, mhm. et c'est comme ça que ça passe. C'est complète. Alors, comment faites-vous pour euh, surmonter euh, toutes ces difficultés que vous venez de citer En tout cas, je reste Shoba. Shoba, ça veut dire show the best you have. C'est montrer le meilleur de toi-même. Ah. Donc, c'est show aussi renversé. Vous parlez anglais euh, oui, j'ai fait le Nigeria, je parle anglais. Et pourquoi ne pas chanter en anglais Parce que vous dites que l'anglais fait partie des opportunités qui est en train de permettre aux artistes du Nigeria d'évoluer. Oui, mais je ne suis pas du Nigeria, je suis du Niger. <laughs> voilà. Je ne peux pas faire quelque chose pour d'autres alors qu'il y a mes frères qui sont là, ils doivent écouter ce que je fais. Exactement. Euh, c'est ce que moi je me dis. Et on t'encourage vraiment parce que tu es en train de promouvoir aussi la langue nationale hein, du Niger. Vraiment, après je vais retourner en Zarma aussi, vous allez, vous allez voir. Super. <laughs> je vois de votre euh, début à aujourd'hui, vous avez produit combien de, euh, disons, titre ou bien albums Oui, moi je dirais j'ai à mon actif deux, deux mixtapes, pas album. Mhm. Une mixtape c'est juste une playlist de musique. La première il y a 12, euh, la deuxième il y a 9, donc ça fait déjà 21. Et si je compte avec euh, les feats et aussi euh, mm. les singles que j'ai fait lancer, je dirais plus 10, ça fait à peu près presque... Ah, c'est énorme. 31, Normalement les albums c'est 6 titres, non oui, euh, ça c'est un album, euh, mais là c'est une mixtape en fait. Je voulais vraiment me défouler. J'étais, En ce moment-là, j'avais la rage de la musique. Il fallait vraiment que les gens se m'écoutent. <laughs> ok. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la musique urbaine au Niger Au Niger, elle est vraiment radieuse parce que je sens ce, ce changement. Mhm. Sincèrement, je vis ce changement. Euh, par exemple, autant avant, bon, c'était vraiment un peu compliqué parce que je voyais de loin mhm. comment ils se battaient plus. Il y avait plus de travail à faire en fait. Mhm. Mhm. Mais là, il y a une acceptation du public, des jeunes et c'est vraiment c'est incroyable quoi parce que partout tu vas, ton cas, je vois, vraiment c'est incroyable vraiment. Ça commence à évoluer. Ça évolue même, <laughs> ça évolue même et j'aimerais vraiment que ça évolue partout vraiment, que la musique nigérienne soit écoutée partout ça vraiment. Alors, euh, quand on prend par exemple euh, la Côte d'Ivoire, les artistes mettent en place des concepts qui, qui, font en sorte que euh, le public s'adapte facilement à leur musique, ou mhm. bien disons à la consommation de leur musique. Alors au Niger, est-ce que vous, vous avez l'habitude de faire ça Effectivement, j'ai l'habitude de faire ça. Par exemple, avec Rankat Cap. Ouais. ça veut dire totalement. Ouais, sur TikTok, je vois que ça, ça donne. Vraiment, ça, ça donne. Même moi, j'étais étonné. Ouais ça, ça a donné vraiment, c'est incroyable. quoi. Mhm. C'était un feat à la base. Mhm. C'était avec Massataf. Mhm. Donc vraiment, lui, il avait cette influence-là sur les réseaux et tout. Moi, j'étais pas trop réseau, moi, j'étais trop musique, musique, musique, voilà. Donc euh, voilà quoi. c'est pop, ça a pris, c'est autre chose. <laughs> Super. Mm. Et Shoba, pour ceux qui aspirent à devenir euh, chanteurs, avez-vous des conseils à leur donner ou des mots d'encouragement en tout cas, La seule chose que je vais leur dire, il faut pas vous décourager parce que vous allez tout voir, hein, tout entendre. Par exemple, il va être ça va être compliqué pour vous de vous marier. Mm-hmm. Euh, ça va être compliqué pour vous d'avoir un job parce qu'ils vont se dire voilà la société déjà elle condamne un tout petit peu ça mm-hmm. Mm-hmm. et je dis il faut beaucoup beaucoup travailler c'est juste le travail travailler travailler <laughs> travailler avez-vous un message adressé à l'endroit de vos fans oui je dirais que je vous aime beaucoup et sans vous moi, je suis pas chaud, bah, je suis chaud. <laughs> Déjà, il y a une qui est là. Ah, il y a une qui est là. En tout cas, tu as pas mal de fans ici au studio Kalangu. Ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup de fans. Ça fait hein. énormément plaisir. Et personnellement, moi-même, je kiffe bien ta musique. Ah, parce que, ça, fait eh, plaisir. parlant de cela, est-ce que euh, vous avez un artiste euh, euh, qui vous inspire Effectivement, j'ai vraiment des artistes, je dirais, qui m'inspirent. Et moi, le problème, c'est que j'arrive pas à être fidèle dans. Voilà quoi. Cette mm. année, c'est cet artiste. L'autre année, l'année qui suit, c'est peut-être un autre. <laughs> Vous voyez quoi. Mm. Donc voilà. Mais côté national, j'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent vraiment. Ok. Alors, euh, vous avez parlé également de ce titre qui est en train de faire euh, le buzz sur euh, le réseau social de TikTok, oui, oui. Comment est-ce que l'idée est née L'idée Rankatkap, ah c'était venu, euh, je dirais, c'était venu comme ça. Par exemple, au début, Massataf était venu, il m'a dit voilà, il faut qu'on sorte un nouveau son avec après cas il faut, il faut qu'on fasse quelque chose <laughs> mm. vraiment qui est doux, quoi. Et on a commencé avec un son d'amour. On s'est dit bon, écoute, amour, amour, là, il faut qu'on change un tout peu. Tout le monde est dans l'amour. Là, tout le monde est dans l'amour, donc il va falloir Rankatkap que tout le monde. Ah, ok. Et c'est là, petit à petit, on a composé, composé le son, je l'ai montré, mhm. je l'ai mis ça dans la voiture, voilà, il, il a écouté, il a dit, ah, oh, ça c'est bien. Hein. Moi, mhm. je Moi, j'étais pas sûr, hein, parce que c'était c'était la première fois que je faisais ce genre de style. Pour moi, c'était l'amour ou rap, l'amour ou rap, c'était, voilà. Ok. Alors, des, projets à venir Oui, oui, j'ai beaucoup de projets à venir. Par exemple, il y a un nouveau son même qui... J'ai lancé le challenge sans lancer le son. Ok. Euh, il s'appelle Suzo Chagali, voilà. Exactement. Dès que tu tapes Choba, c'est H-O-B-A, tu pourrais voir Chagali euh, et autres, voilà. Mhm. Et là, je suis en train de préparer aussi le clip. Le clip, ok. Oui, le clip, euh, voilà, on est en train de préparer les choses. Parlant de clip, on voit également une grande qualité dans tes clips. Alors, je ne sais pas, vous travaillez à, au niveau national ou bien à l'international Si, si, au national. C'est même pourquoi peut-être vous ne voyez pas tout le temps les clips, c'est parce qu'on prend du temps pour vraiment donner la meilleure des choses, mm-hmm. la bonne qualité. Mm-hmm. Et aussi, sur le, c'est sur le plan national. Ce mm-hmm. n'est pas international, c'est sur le plan national. On travaille avec des Nigériens qui sont ici. Oui, mais bon, on fait un petit mix de Togolais aussi et de Nigérians, mais à la base, c'est, des Nigériens. font ça, Alors, est-ce que euh, vous, vous arrivez à avoir des, des retours, surtout de votre public, des critiques positif ou effectivement, négatif Effectivement, moi j'en ai plein de, critiques positives, je dirais. Hmm. Euh, la seule critique négative, c'est juste ils me disent tu n'es pas tout le temps sur les réseaux sociaux, voilà. Donc moi je suis plus musique, musique, musique. J'adore vraiment le travail, j'adore ce hmm. que je fais. C'est compliqué pour moi d'être aussi sur, partout, voilà. Et il y a aussi euh, quelques euh, quelques de tes fans qu'on a l'habitude de causer. Euh, ils nous disent que mais Choba, on le voit tout le temps avec des habits. Euh, il est styliste ou c'est juste euh, pour, <laughs> oui, en <laughs> passant pour rendre le côté esthétique de, de Oui, en passant aussi, j'ai un atelier de couture. Ah ben voilà. Ah. J'ai un atelier de couture. qui <laughs> voilà, alors ceux qui ont des doutes, hein, vous entendez voilà, il, donc, voilà, quoi. il est styliste. Je suis styliste aussi. Donc la plupart des temps, c'est pas moi qui gère totalement, mais je suis styliste, je fais les styles. Par exemple, deux fois, quand il y a des occasions vraiment exceptionnelles, là, je m'assois, je, voilà, ok je trace les, habits, je fais ce que, voilà. Super. Il est artiste dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, c'était Shoba. Merci infiniment, Shoba, d'avoir euh, répondu à notre invitation et aussi euh, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous te souhaitons bon vent dans ta carrière musicale. Merci infiniment. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est le moment pour nous de voir notre rubrique hebdo et nous sommes mercredi, nous allons parler environnement. N'est-ce pas, Seino Exactement, Rakia, dans la rubrique hebdomadaire environnement de ce mercredi, euh, nous parlerons du du Le bassin du lac Tchad est une zone propice à l'agriculture grâce à la fertilité de son sol. Seulement, ces dernières années, cette activité n'est plus pratiquée comme avant à cause de l'insécurité et l'impact du changement climatique. Djibril Malam Kalla, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de DIFA, explique au micro de Talnan Foudé Ahmed. Il n'y a pas de terre pauvre. Toute terre, on peut améliorer, on peut produire. Mais quand on a assez, on dit on a laissé ici en jachère et on a laissé ici sur Non, non, non. Maintenant, il y a la possibilité d'enrichir le sol avec peu, produire beaucoup. Tout ceci, maintenant, vraiment, toutes ces dispositions-là, si on les respecte, on ne peut même pas avoir faim. On est combien Le lac, là, peut produire en maïs ce qui peut nourrir tout le Niger. Le lac, là, que vous voyez, le bassin du lac chad là. D'abord, vous n'avez pas besoin d'engrais. L'humus, c'est à peu près un mètre. Mieux que l'engrais même. Et au bon moment, quand il n'y avait pas cette affaire d'insécurité, mais les gens de Niamey, chaque fois, ils nous envoient pour veulent le maïs, le maïs du lac. Parce qu'il n'y a pas de OGM ici, hein, c'est direct. C'est vraiment, c'est la production naturelle. Et ce maïs-là, c'est du maïs pur et ça produit vraiment de très bons rendements. En tout cas, si, si on organise, on peut nourrir. À maïs, on peut nourrir tout le pays. Ça n'existe plus ou bien c'est la situation sécuritaire qui a fait en sorte que les gens ne, produisent plus ces maïs-là La situation sécuritaire est intervenue pour le gros lot. Vous voyez, tous les gens qui se sont déplacés là, c'est des gens le long de la Komadougou, les villages tout autour du lac, à cause de la sécurité. Ils sont maintenant généralement dans les communes de Guesquerou, Difa, en partie même dans Chetimari. Donc ils ont quitté. Ceux qui doivent faire cette activité ont quitté. Même ceux qui sont restés il ils ne peuvent pas faire. Si c'est 1000 hectares qu'ils font, peut-être maintenant ils font 100 hectares. Donc euh, ça ne suffit même pas leurs besoins, à plus forte raison, nourrir le reste de la population. En tant qu'acteur, en tant que quelqu'un qui suit les changements climatiques, euh, c'est la question du moment. Est-ce que les changements climatiques a impacté les acteurs euh, de l'agriculture, le pasteur et les autres Est-ce que vraiment les changements climatiques les a impactés négativement On peut répondre de deux manières. Parfois positivement, parfois négativement <laughs> Donc, le changement climatique est réel, parce que même la population connaît, il y a le changement climatique qui était intervenu. Ceux qui sont un peu, un peu moins que moi, un peu plus âgés que moi, avant dans cette région de Difa, l'hivernage démarre après la fête du 14 juillet. On part à Méné, on fait la fête avec les Blancs, on revient. Maintenant, vraiment, c'est l'agriculture qui s'installe. Mais maintenant, vous voyez, cette année, actuellement, il y a des gens qui n'ont même pas semé jusqu'à présent. Il y a des endroits qui n'ont pas encore semé. Ça, c'est un cas. Deuxièmement, le débordement des lits. Il y a des endroits où plus d'un siècle, on n'a jamais vu l'eau venir. Aujourd'hui, sont devenus des bras de la Komadougou. Ou bien, vous allez voir des débordements de la Komadougou jusqu'au Goudron, jusqu'à aller, pour aller, par exemple, à Ningimi, vous contenez 50 km parce qu'il y a l'eau. Donc, vraiment, tout ceci, ce sont des effets du changement climatique. Et même la population se rend compte maintenant qu'il y a un changement dans cette situation. Donc, avant, vous semez peu, vous récoltez beaucoup. Ça, d'accord, le sol contient un certain nombre de c'est ça c'est normal. Mais maintenant, vraiment, il y a un problème. On est en septembre. Il y a des endroits, tout dans la région, hein, je ne au niveau de l'agriculture, ça pas une des situations. Il y a des endroits où c'est presque à la récolte. Il y a des endroits où talage, levé avancé. Là-bas, vraiment, la situation, ce n'est plus homogène. C'est très, très hétérogène pour encore constater le changement climatique. Dans un village au sud, les gens vont récolter. Au nord, ils sont obligés, ça ne marche pas, il faut mettre du sorgho pour attendre peut-être novembre pour récolter. Vous c'est visible, c'est visible. Est-ce que euh, le changement climatique a à d'autres avantages que les populations peuvent exploiter. Par exemple, il y a des, bras morts de la Comadougou qui prennent de l'eau. Maintenant, ils font le maraîchage de ces bras morts. Donc maintenant, l'eau arrive, on fait en tout cas le maraîchage. Donc ça, c'est un avantage. L'avantage, pourquoi Pour combler le déficit de la culture pluviale. La culture pluviale, vous n'avez pas produit. Là, vous avez l'eau. Là, le problème, c'est l'eau. Vous avez l'eau. Et vous avez la possibilité de faire des, des forages à la tarière, là, euh, qui ne rentrent même pas dans le point d'eau. Le GR recommande 30 mètres. on avec 10 mètres, tu as l'eau. À vous, vous faites 10 mètres de forêt, vous avez l'eau. Donc vous pouvez faire votre agriculture. Tout ceci, je crois qu'il y a des avantages, mais même s'il y a des inconvénients, l'avantage, maintenant, il la possibilité de combler le déficit de l'hivernage par le maraîchage l'eau arrive là où l'eau n'a pas l'habitude de venir. L'autre avantage, vous voyez, le changement climatique a amené un changement au niveau de la pêche, au niveau des diffas. On a des espèces de poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir et de gros gros, et ça rapporte beaucoup d'argent. Ça aussi, c'est fonction du changement climatique. Parce que ces poissons-là, on ne les connaît pas. C'est quelque part, c'est la mer ou quelque chose qui les a balancés, ils sont arrivés. Et donc, ça aussi, c'est un avantage par rapport au changement climatique qui font du commerce jusqu'à, je crois, au niveau de l'environnement, ils évaluent même à un milliard hein, à ce qu'ils apportent comme fonds. On dit il faut combattre les changements climatiques, il faut, euh, en tant qu'acteur, en tant que celui-là qui a de l'expérience, face à ces changements climatiques, comment les acteurs doivent se comporter ah, mais on ne peut pas combattre un phénomène naturel, il faut s'adapter. Il faut s'adapter avec les exigences des temps. Ceux qui, ont, connaissent cette affaire de changement climatique, ils doivent vous dire, à travers des formations, à travers des stages, dire voilà les inconvénients et les avantages. Mais on ne peut pas, dans cette situation, on ne peut pas dire aujourd'hui empêcher à l'eau de traverser le goudron, mais il faut s'adapter. C'était là la rubrique hebdomadaire Environnement. Environnement, prenons encore une autre pause musicale avec cette chanson Kwata Kiri de l'artiste Daré. katkuri da tanta balama gobiri dinkini ina figi fonda bindi tinibi kwakwata galala amma aina sigi ai manti falabo bora kulkani girbi girbi monadi sangai na fitiga kazima modigi asima tari kwat kwat आई बनो तेरी समैया रग सिंदूर né en 1988 à Niamey, l'artiste Mamandare Moussa alias Dare est un jeune artiste, rappeur, chanteur, compositeur qui a opté euh, pour le rap conscient dans le style afro-hip-hop. Passionné de la musique depuis son bas âge, en 2005, l'artiste a débuté dans un groupe du quartier dénommé NGB. Euh, avec un ami d'enfance répondant au nom d'Alfija Abdou Ide dit Alfi. Maman Moussa euh, évoluant dans le hip-hop et l'afrobeat, il est un artiste engagé dont les textes abordent des questions sociales en 2008, pour des raisons d'études, l'artiste Daré laisse carrément la musique et se concentre aux études. Après cinq ans d'absence en 2013, l'artiste Daré revient en force dans le mouvement avec son premier single en solo titré Rap Conscient, un son qui n'a pas bien marché, combattant et déterminant et déterminé plus que jamais. L'artiste continue a gardé espoir et s'est bas à, pour atteindre son objectif, celui de devenir un grand artiste reconnu aux normes nationales et internationales. 24 décembre 2015, l'artiste reçoit une grande invitation des prestations musicales au concert des Kif No Beat de la Côte d'Ivoire au Niger, un géant spectacle organisé par Mediaset, une grande euh, maison de production de la place. Cette sortie était fracassante avec euh, la sortie de son quatrième single en solo titré E.E. E Dansa, un son d'ambiance qui a fait vibrer la le tatami du palais du 29 juillet lors de sa prestation. Petit à petit, l'artiste poursuit son chemin et conserve toujours sa côté de popularité. dream Sinon, c'était les titres Kotakiri de Daré, place à la rubrique Écho de région. Oui, Rekia, le reportage en région de ce jour euh, nous amène à découvrir dans la ville de Tessawa, région de Maradi, des jeunes filles de 13 ans qui sont utilisées dans des activités de commerce. La pauvreté souvent de parents est l'une des causes principales de ces commerces des filles, estime Zainabou Issa, directrice départementale de la promotion de la femme et de protection de l'enfant aussi les filles sont exposées à plusieurs risques de violences sexuelles et autres. Notre correspondant Ilia Momouni sur place s'est intéressé à ces sujets. Voici son reportage. A wannan lokaci dai kusan za a iya cewa talar ƙananan yara 'yan ƙasar shekaru goma sha uku musamman maɗiya mata ta zama ruwan dare gama duniya abinda ake gani tana lalata tarbiyyar yaran. A cewar shugabar ma'aikatar nan mai kula da jin daɗin ɗiya mata da kare haƙƙin ƙananan yara a tasawa Zainabu Isa wannan matsala tana nasaba da irin talaucin da iyaye suke fama da shi. Shi dai wannan sai in ce fi sabilillahi talauci ne kisa. Wata talla tana ɓata tarbiyya saboda inda za a zuwa tallan nan wani wuri tasha ne za a. Wurin masu gini ne za a wani ba ruwan shi da yarinya karama ce bai kamata ba in muta wani magana wadda bata dace da ita ba doka ta tanadi hukunci na kasu da tara to sai dai a cewar wata ma'aifiya da ta ci ta sha a cikin fannin gudanar da wannan sana'o'i na ƙananan yara ta alakanta abin da rishin tarbiyya ta iyaye tsala ta farko da muke samu daga mu ne 'ya'ya mata tarbiyya tana ga uwa mace amma tarbiyya an ta kubce ma yaro har abada ta kubce mishi a matsayin 'ya'ya mata da ake ciki yanzu uwaye farko da tsinuwa da rishin kula da 'ya'ya da rishin karatu duka yana sa rishin tarbiyya ta shiga ga yaro ita dai wannan matsala ta jima tana jefa jefa halayen yara a cikin mawacin hali a nan ta da ma wasu yankuna abinda uwayen ke jiran ɗaukar waɗansu matakai daga hannun hukumomi don magance wannan matsala. Voilà, c'était là le reportage en région, chers auditeurs. Euh, Place à présent à la page sport, n'est-ce pas, Rekia Oui, c'est nous de la page sport aujourd'hui. Nous vous proposons le portrait d'une jeune taekwondoka. Elle s'appelle Khadija Hamani, pratiquante de cet art martial au niveau de l'unique club de taekwondo de Balayara, le Tagazar Club. Adama Dawaki nous dresse son portrait. Hamani est une jeune taekwondoïste passionnée originaire de Myanmar. Âgée de 16 ans, cette jeune athlète est dotée d'une force intérieure exceptionnelle. Elle porte fièrement une ceinture rouge, symbole de son engagement à réussir dans ce sport exigeant. L'unique fille dans sa catégorie de moins de 58 kg Kadija Hamani a intégré le taekwondo il y a 4 ans de cela. Wallahi kolobo hagina dai ai gbara. Taekwondo dai dingara nigi hingin bonde fanda dingam banu bombo bansi. Bo kul gabai dai kan bo gam banu segine bam A ai here menai ganji. nga a kan zam wai barai da gara a gano ga gingu bon defando da kai ga don don matkan igbara mantiwai borais bu bal boraise a siya a se banda santi rujinu rais sonde pour le moment ay hinnan zam kwaro ay bayo borais bu bugbara ay gumburu ay siba ay no gidi wal hayre no sibara dai gudu ay chalo ay boraise in ko ga ka ko competition nyame no ko son ego sol sol da afum ir invité ir ya ngai momka en dehors du tatami Kadija Hamani est une élève modèle et une source d'inspiration pour les jeunes de Balayara selon son maître Zakariya Alhamdou malgré le manque de matériel et d'une salle de formation Approprié. Kadija a décroché la troisième place lors d'une compétition nationale à Niamey l'année dernière. Dès qu'une fille s'inscrit, moi je lui dis que quand il vient ici, il ne faut pas qu'elle se mette, comme une fille. Ici, quand tu viens, tu es un garçon. Donc fais comme les garçons. Donc c'est avec ça, qu'il s'engage parce qu'elle elle a même participé à une compétition nationale, elle a eu la troisième place. Il y a d'autres qui venaient aussi, qui sont bons, mais n'arrivent pas à aller aux compétitions. Vous avez combien de filles Il y a que cinq qui restent maintenant, parce que les autres, ils ont abandonné. Et avant, c'était combien Avant, on a jusqu'à 13 filles. Les raisons ici, c'est au village. ce n'est pas facile. Ils ne savent pas c'est quoi le sport, ils ne savent pas l'importance le sport. Les parents hein, les négligent tellement. Ils ne payent pas les mensualités. Et ce sport, vraiment, on a des problèmes avec la société. Khadija incarne les valeurs du taekwondo, le respect, la discipline et la maîtrise du soi. Elle rêve de représenter Balayara dans des compétitions sous-régionales et internationales nous, c'est qui la star du jour Eh bien, dans le portrait de ce mercredi, notre reporter Habibou Garba nous amène à la découverte de Tanimoun Maman, un jeune pêcheur de Gaïa. Il consacre son quotidien au transport fluvial depuis la fermeture des frontières entre le Niger et les pays de la CDAO. On écoute. Âgé de 35 ans, marié et père de 5 enfants, Tanimoun est un jeune qui vient à ses besoins de la pêche. C'est un métier qu'il a hérité de son défunt père Mahamman. Tanimoun a été initié dès son bas âge. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les activités d'hygiène se passent sur le fleuve. D'ailleurs, c'est dans cette activité qu'il a fondé sa famille. J'ai été initié à la pêche depuis l'âge de 7 ans par mon père. Je n'ai pas choisi autre chose que le métier de mon père. Lui aussi l'a hérité de son père. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Maintenant, je suis autonome. Certes, Tenimoun juge insuffisant l'encadrement de ses enfants pour assurer sa relève. Cependant, il déclare leur avoir transmis secrets de l'eau. Tout ce que mon père m'a fait, je ne peux pas le faire puisque les temps ont changé. Les enfants vont à l'école coranique et l'école moderne, mais tout ce qui est en rapport avec les eaux, je leur dirai pour qu'ils s'en souviennent. Depuis la fermeture des frontières de certains pays membres de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec le Niger le 30 juillet, après le coup d'État au Niger, ce sont les piroguiers qui rallient le Bénin au Niger. Tanimoun arranger ses filets et autres hameçons pour le transport fluvial, une activité qui fait grimper ses chiffres d'affaires. J'amène des marchandises au Niger, des sacs d'igname, des tomates et des ananas. Je les achète à Malanville souvent. Je gagne 50 000 francs et parfois 40 000 francs par jour si le marché est bon. Pour les jeunes piroguiers de Gaïa, même s'il tire son épingle du jet dans les transports fluviales, il souhaite le retour d'une accalmie entre le Bénin et le Niger. Chers auditeurs, bouclons ensemble notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ses titres Tatagaisé de l'artiste Fenobi en featuring avec le fait Moussa Poussi. Thank you.

Et oui, voilà, c'était là le featuring euh, entre l'artiste Fenobi, le rappeur, et le feu Moussa Poussi. Alors Fenobi ayant commencé sa carrière <clears throat> en solo, Issoufou Umaru alias Feno intègre le mouvement du rap au Niger en 1993. C'est le premier rappeur nigérien à passer sur les ondes internationales sous le nom de Taximan Rapper. Il est l'un des artistes fondateurs du collectif des artistes unis pour euh, le rap africain, Aura. Seno, actuellement, en plus d'être membre du groupe Kaidangaskia, Feno est le compositeur principal et producteur des chansons du groupe. Il est aussi réalisateur de leurs vidéoclips il a créé une structure du nom de, du studio euh, du studio qui a révolutionné le monde du showbiz nigérien, ce qui lui donne un statut d'opérateur culturel dans ces pays. Cette chanson que nous avons écoutée, c'est pour rendre hommage à la virtuosité de Moussa Poussi, nous dépoussière ses titres Tatagaisé qui parle des hommes et appelle à l'union, la sincérité et à l'entraide entre les habitants de la terre. C'était là le titre Tata C'est quoi le loti du jour, c'est Eh bien, la rubrique euh, loti du studio Kalangu porte sur les jeunes filles célibataires qui tardent de se marier hein, dans la société. Elles sont <laughs> nombreuses, ces filles âgées, euh, qui sont indexées par la communauté. Dans cette discussion, les femmes du studio Kalangu attirent l'attention des gens sur le fait que le mariage est une question de temps Écoutons Samira Rouafi et vous-même, Rakia Arimi et Mariam Ade. <laughs> portable gi sinimu wasi igmu koy margawo mus koy gbanig bon aisha wati kunni go wasiyarra an tai goni banda ai go dai kunno labari kan go te portable ira ga gite monin bo agin nafa labari fo dum yanno hmm. ine waina agin gite ima haikul kan gati neran di haraka kayandi mate hasiya wat kul ne gine sai din di labari wo dum kan sindabo masangani se halnum koy gade de bo a am koyi mu bok chandin se masalfo tig fo bono ndi in kamba dake kan na sanno woci a a wallo ayi man di tur kulu to ir koy sai nan sanno nin bisir mu koy to ay nan ay mu skoy ga dai bonga masala wadin ya ga bisani sai <laughs> hey mun tigal ya ne go fonayya ay mu di oho he gano nan ay make raliya hey raliya aisha hasiya mata gote zakir ba ir chawon irma yegi dicare yadin dainu wallahi dirman to giri idinoya to mata no mata kwara ba ni samai wallahi ai gono ne da ne gogoi ni higi a a gina <laughs> lokaci aran gode su ban yan wora ka daidai aran zenu aran mani higi a a mantiya no lokaci dai no manto <laughs> hegaliya hmm. ba hangana se gune ikse benan kanon go kwa ga ngite ni go wasi mbodano kala tonton ay mani di yango kani kala han fo yan no ya degni chawku bai to kala tonton to raliya ka dai den kerke no ya hasiya wallahi ya wakani teman kanai se kalai go man hawi ay bun dai ne ya kalai bungo beri hai ifo ne te mutkin se ni tegni galiya si hal sun agona man hiji boro ne ga bai son irwai bare iga su banno iga diga su banno kalama to iga nan kanno a afoyen mane ni ningai gaba afoyen mane alborkan ga bori ningai gaba ni ya dai to masiya gane ya dai ne bai wai bago mun tin ingono gutunu ga fallon amani ha inga gaba an ga higi ko en nigir kwa wo bai ha agoda mun tin ingono gu su banin bon sai lokaci kan ninga ga higi matakina kan man ti ingano ga hinga su ga bon sai haire yano ga subana se haire ga hinga subana se amma man titila suno gun son ba da irkwai te kan so imni a gwanin ga awusu da agu so ma gino go san bukkan dingai kwaga manti ingino ga agu so nono ga mukan dingai kwaga wal mato noni ne ya dina. to ko inda irko mai hige ko bafu ba funaga mata na ga te aisha mata dai te ga bai wadino to za kan ni si hinga bai nim si ye ga sanne wo dumici son ni si bai hanka inguwa amma ingi binaga magara madinin dori kan hal son a mai hige so a te a gono dinin dan la sabu bobo yanga ya dina aisha wallahi ni ga cim ai man mila hal hayo ga to ya ci ne ai man mil mo halaga hinga doraga to amma insha Allah hinowa ai siya ga te koyni to wadin ya ga bisa koyni mo dinga ba nim ce bakanu ba hannano ni ingine ni kunyi sai amma san ba te wanda hinkante ai wanda hinkante mm nan kan ban diyo ga bali yo wino ya am so bai ginga gwarai te ai gun wara sai ko dem kata sai kurin hannu mun tai kwaro kai fa. <laughs> Eh, asiyani kuba haka ndi aigogin tonye na ibumbu a ah, to sani wani rima wasikano zai tofo iga chaimala hanyaga to akwai Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, en euh, l'instant, c'était bien le loti du desk femme du studio Kalangu. Rakia, il nous reste encore quelques temps à passer ensemble avec nos auditeurs et nous allons leur faire le plaisir hein, de les mhm. faire écouter euh, ces titres euh, du groupe MGM Crew. Il s'agit de Bewa. On écoute et on revient juste après. ji haushe na uku a ni na sha lele masu yana da dama baban legani ne na kuɗe malam biyo ne ka sha tarbo yan uba masu bakin ciki na ce me yasa kuke kallo na shekaru ɗaya bayan ɗaya na ce me yasa baya na kunye kunye ku kan ni kasa na ce me yasa ke gata baba mai sama ya bambewa yanzu kutoka Museutani, Vaiwada toka Kawa, Alane ya Babu, avec les Français never give it up. Kukosa itawaga na wapiga. Enkasa suche mune, uba doko mune, ka El Pacino dangata. Uba masuka intiki, na temi yasa kuke kanona. Shekaru dai bayan daya, na temi yasa kuke bayana. Bunye bunye kukan ne kasa, na temi yasa kuke gedada. Baba mai sama ya bambaiwa porco nu fascina Mânge dosul, mânge ghida Ti la bere, mânge rire Gare ni facă mă sărchi Că gama aia mai că bărzănce Mu en are, wa en gata Mânzo marati, mânzo ghida ah, Kalle ah, ah. babu shaka a nan ni dai na wannan waka ni ne babansu babu shakka kai ne babansu ai ma wasu sun je babu shakka ni dan mai wane babu shakka kai dan mai wane a ci da inji eh bala a ci da a eh bala a ci da inji eh bala a ci da a eh bala a ci da inji eh bala a ci da a eh bala a ci da inji kadangkatangaza kutabama Voilà, à l'instant, c'était bien le titre Beiwa du groupe MDM euh, Crew, tout en espérant que vous avez aimé, chers auditeurs. Alors, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages vocaux d'encouragement et des suggestions. Écoutons quelques-uns. ni ne tsaye am ƙasar orofan muna sauraron sidiyo kalangu yana wayar da kan jama'a can da ana cikin 'yan matsaloli ma amma albarkacin ana saurari mutane yanzu sun fara ganiya saboda cikin ɗan lokaci kaɗan ne ake yin shi kenan tunda abin nan yana ci gaba da jama'a yana waye musu kansu ya kamata a ce ma tunda sahi in aka kama shi hammare ce ni muhammad rabi mati suna na wanda aka sani da suna bandar nan tasawa ina shirin studio kalangu sosai ma a ɗari bisa ɗari niki shirin ta kawai da ya halo ne ra'ayi na bisa studio kalangu gaskiya akwai wani shiri da suke yi na zo ki je ki ina shirin nago ina ina san shi kwarai kwarai kwarai kwarai tunda akwai abubuwa da ake bayyana wanda mutane ba su ma san da su ba kuma yana ƙayatar da mutane ana sa kamar irin harkar jiya kuma har da yau ma ana sa ciki ni ne mamman sani sama'ila dan kabu kabu bakin likitan gindawa e gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai kwarai e eh, saboda kaga radio tarmamu wannan da si ka samu wannan studio kalangu muna jin daɗin shuraren shi sosai da muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal sanda likita ne a csc urban eh gaskiya studio kalangu kenan muna ji duk information da muka saurara he mu ga kuma realite a zahiri he mu gani kuma sosai a tace yake sosai lahiya lau ko mihe mu ga normal mu mun dauka ma daga can ne muka rasa daga ina ne a shi da muka yi tambaya mu aka ce abin aka yi daga niyami in a rarraba shi muke saurara kuma muna jin emission wanda ta burge ni sosai naga ana an faransi kuma a memtan he ai traduire a hausa a kara awoyi wanda an ke kara ko awa biyu ko awa biyu da rabi eh sunana ahmed usman eh, ni mazamni a nan garin gegime bangaren kalango tuma musamman harkan suna midland da suka yi gaskiya muna jin daɗi sosai kuma suna kawo eh, sauyi a cikin alam al'amura na yau da kullum kuma musamman abin da suke shirye-shiryen su na awa guda gaskiya da ya kamata ya yi kadan lokacin abin ya yi daɗi ka san ya yake kuma inda zai yi gaskiya ya kamata su kara ko minti talatin awa guda da rabi ya zama kamar inar trant dai ina gaida ma'aikatan yan kalangu dukansu kuma musamman yan wanda suke midinal da kuma wanda suke reportage da sauran haraka masu yin dokan na'ura musamman wanda suke yin na'ura da kuma wanda suke a suka dauki rahoto a rahoto cikin gari kuma na dawo nan ningimi ina gidan ma'aikatan gidan radio diram da kuma abokan aiki da sauran mutane da al'ummar garin jejimi da kewayenta kuma ina gaida babana da kuma ina gaida yalena dukansu a baki da Voilà, merci euh, pour votre fidélité, chers euh, amis auditeurs, auditrices, euh, vous qui nous écoutez actuellement, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages vocaux également au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Sinon, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Ali Ousseini Disseino et moi-même Rekia Arimi. Le rendez-vous vous est pris pour demain pour un autre nouveau duo. La technique a été assurée par Seini Isakai Adamadawaki à l'édition. Excellente journée à vous et bye bye. Bye bye.